Yeah. Fuck taxi yee fii de. moom ba tey waaw. taxawal yi noonu rek la am ma woo la. Hassan secrétaire national chargé de la mobilisation et de la propagande, membre du comité directeur. Écoutez, cette affaire, comme vous le constatez, n'a pas ébranlé les militants et les responsables du parti, parce que nous avons assisté pendant le temps, à l'époque de Senghor et de, et de à des violences beaucoup plus importantes que cela. Nous avons été à la bataille de Loro, de Makakouli n'est-ce pas, du Fouta, etc. Donc c'est pour dire véritablement ce qui s'est passé, c'est un épiphénomène. Cela ne nous ébranle pas. Alors nous considérons simplement euh, que nous sommes en train de, de, voir de quel bord est venue cette affaire. Nous ne finirons pas par régler cette question. Et comme vous le savez, nous nous sommes battus. Cela ne nous a pas impressionnés. Et nous avons su garder notre calme et dérouler notre programme. Comme vous l'avez si bien compris, vous avez assisté à toutes les séquences de notre travail. Donc je pense que franchement, disons c'est une petite parenthèse que nous réglerons dans les meilleures conditions. Ben, écoutez, écoutez, je ne pourrais pas citer le nom de qui que ce soit parce que nous, nous savons, nous allons attendre de quoi ça roule et nous allons étudier toutes ces questions pour en savoir véritablement le mobile. D'où vient le mobile et qui a été à la base de ce mobile. Et en ce moment-là, nous nous prononcerons de la manière la plus adéquate je te, la réponse, je l'ai déjà fournie. Écoutez, nous ne pouvons pas dire que ça vient de X ou de Y. Nous attendons de voir et de, continuer à faire nos recherches par rapport à notre capacité d'abnégation et de vision, n'est-ce pas Nous verrons le mobile, nous saurons d'où vient le mobile et en ce moment-là, nous prenons toutes nos responsabilités. Waouh, nous l'indiquons d'abord, fait qu'il y une installation commission de vente des cartes, n'est-ce pas euh, amna ben parenthèse bu ndaw bo xamante amna fi mais dama fatali rek que parti démocratique sénégal nekul parti bu ñu xokkatal du parti bu ñuy tiital du parti bu ñuy xëbal parti bo xamante amna responsabilité amna maturité ndax xéxu Loro xëy na booba xaleel ngeen wala xéxu Maka Koulibantang booba xaleel ngeen wala xéxu Fouta booba xaleel ngeen nous avons su braver n'est-ce pas ces interdictions ces violences faites en son temps par le parti socialiste dégg ay loro ki makka kuli bant ak njaxoo ko fu ne waaye donc du li nga xamanteni xewna fi tay ay affaire ay bruit yu ndaw alors moñu xotal moñu moo firnde bi may liggey nañu suñu liggey def nañ suñu réunion déroulé nañ ko ci nimu gën rafité ci nimu gën a ci nimu gën baxé yeen yéen fekkee ngeen ko ak ñun donc le parti démocrate c'est un très grand parti de parti buñu xokatal de parti buñu ñu maintenant dinañu xol nak mbir mi fu mu jógee ak ñan ñoko sabab buñu ñu ba xam ñun nag ma man nag mën ma tudd man nag mën ma tudd tur ma sambool pour ma dem ba parce que amaguñ preuve yi dinañ gëstu daal ba xam exactement mbir moom fu mu jógee ak ak koo ko ak kan moo nekk ci gannaaw bu boobaa dinañ prendre jël suñu responsabilité dañ ko leeral mat jël suñu matukaay yëpp loolu daal mooy li nga xam te bëgg naa ko ci